Amis de la FADA, de Fatankuna Lahia, vu de vous retrouver dans cette FADA aujourd'hui posée à Chicken Option BNDA, à Nang Berninyamay, à Ungor Karakanamutoko. Un bureau créé en décembre 1995 que plein d'artistes connaissent bien, je suppose, même si on a un bureau euh, Chicken Longweki. Directeur Kuna est en Kotantamuna Wayane, artiste qui a eh, gagné rapidement, en ce cas, Ungor Karakana, BNDA. D'accord, agence Nigel Virage à gauche.

pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce bureau et sa mission. Wannan nauyi ne ya rataya akan wannan par rapport à nos amis artistes. On en parle dans ce numéro avec Madame Zarami Faji, directrice générale du Bureau nigérien des droits d'auteur. Madame, il Nous sommes avec Omar Salifou. Il est producteur, mais aussi président régional de la Il représente les artistes. il est le directeur de la documentation et de la répartition promotion des droits rabon wannan eh shine ke kula da shi ko director muna lahiya ya aiki to aiki an gode Allah nous sommes avec Boubacar Gingare il est cinéaste Boubacar ça va ya kake ça va bien alhamdulillah dama dama et le cinéma oh, muna na muna on pousse non oui oui alhamdulillah alors ça nous sommes également avec un monsieur Abbas Ibrahim Abbas Ibrahim vous êtes an kawance calcul kin shi ni ke raba ni ke ba mutane kudin su musique la rubrique l'artiste s'exprime et la chronique préparée par notre chroniqueur chouchou Olivier ça Sabayagaki. Ah, rien, t'as. toi dame. Hein tu as rien Tu on aura quoi au menu Alors ah bah, aujourd'hui, je fais honneur aux femmes dans le foot. Ah ouais ah, Tranquille. Ok, Olivier. à tout de suite alors. l'heure. on se check à la fin. Allez, bonne émission, la vie. Merci bien, Olivier. À tout à l'heure. Megabat 3. Ami, ne le Arabia Mekano. Lors du Conseil des ministres du vendredi 15 mai 2020, le a wato statut à statut du Bureau nigérien des droits d'auteur BNDA à travers un projet de décret. Wana amincewar permettra au BNDA d'harmoniser son cadre juridique avec les autres structures en charge de la protection des œuvres littéraires et artistiques à Gongong in shi jaridar yanar gizo-gizo anp shida ga watan mayu na 2020 directrice mun gane dai bayan da yanzu abin ma ya kara hwaɗi yake tunda yanzu har kasashen ƙasashen wa ake amma yanzu ina so in sani wai bayan da kin wannan kin wani fanni da wani fanni ne kuke aiki to na gode mhm. ya ta don ka mu fanni mu wajen bayan da mm. mu muna cikin kamar harkan kirkire-kire mm. kamar abin da dai ilimi ya kera mm. don mu muke kula da shi kamar kika a sama kamar waƙoƙi kamar kamar eh, wasan film mm. kamar ku niveau de radio de television mm. kamar wanda suke art figurative for example masu duk da sabon abu abin da nake so a gane sabon abu ba wani abin da kakanka yi ba tun lokacin da ka komo ka ce sabo ne deja an san shi eh. mu abin da muke sai sabon abu kenan kamar nasara da ke faɗi original e nouveau yanda dai muke dai protection ne muke duk abin da wanda ya kera ya zo ya protege to baka iya zama eh, artist da kai protege ce artist men ban mu iya kula da eh, tsaron nan in baka zo bayan da ba donc il faut être adhérent au niveau du bureau nigérien du droit d'auteur pour bénéficier du droit d'auteur ok shi so ah, to banda wannan protection kin ina shi director yanzu an yi zancen kuɗi kun yi zancen eh, raba wadda kuke yi na kuɗaɗen da wa'annan 'yan wasannin ke samu ko mi kuke ga basu kan wannan fannin shi kuma to insha Allah na gode to eh. kun san su rabon kuɗi yanka ce ko da yaushe akwai matsala gare shi menene matsala tashi kun sa kakin dai a samu kuɗin dabor sai an san wane ne ya kamata ya biya kuɗin mm. saboda mi kuma ya kamata ya biya kuɗin to in ya oh. biya ai ya kamata ya san abin da ya sabe biya ko kenan wai wannan kuɗin na me su ko su kuɗin kama waɗanda sun kai unwani eh. da aikin waɗansu in kai unwani da aikin wani ya kamata ka biya shi mm. duk wanda ya aiki ya kamata a biya shi kenan kai ka kirkiro ka. wani ɗauka ta yasa ya ji daɗi a rediyon shi waɗanda sun ka saurara sun ji daɗi to shi wanda ya yi waƙa me samu kenan kai daga kaji an sa waƙar ka ko shi wanda ya sa ya gudu ya zo nan haka ne ko e, ya zo ya gai ba ga tele ba ga radio ko ga tele eh. wannan in ga radio tele ne su da kansu masu radio kuma su tele su ne ke kawowa abin da mm. sun kai aikin da sun kai mm. kamar in sun sa waka so goma ga ini sai sun rubuta ta so goma mm. yadda in hota ya mutu duk abin da sun kasa the premier otarant sai sun kawo mun shi nan ga duka mu kuma muna rubuta cikin na'ura kenan yanzu banda da radio da tele su wannan aikun gai dama su da akwai hotel akwai wasanni eh. akwai wuraren wasanni wanda artist su da kansu ke organize ko kuma wanda promoter ke organize to wallahi director mun gode da wannan karin bayanin da ka bamu yanzu dai ina shi dai wanda bai sani ba ma sai un peu plus clair <laughs> for tout le monde to yanzu bare dawo gare ka Omar kun ji dai abinda director kun ji presentation ki wannan ta bayan da ko kuna ma'amala da bayan da collaboration kuna da aiki eh, da eh muna da muna da aiki parce que aikin da suna yi ma eh. ma artiste. ne mm. suna ma ne suna collecte kuma suna raba ma, ma artiste kenan dole ne mu yi amala da su mm, mu eh. vous vous retrouvez dans dans cette euh, bon shi eh, masalan da eh, eh, information ne babu Sakani da band da artist eh. kaman akwai artist da sun su kaman eh, kaman tsohon artist kinan mhm. da sun sani da creation kin BNDA. Mais ba su san ba comment ça marche tout ça là, ils savent pas. Fonctionnement kin ba su sani ba. Mm. Parce que yanzu in ka duba 95 zuwa 2005 kaman 10 ans ka dauka da 2005 zuwa 2015 yayi 20 ans kuma 2015 zuwa nan ga ya yi kamar 26 ans yanzu in ba artist kamar je prend un exemple cikin anasim su denke danke su mali yaro da suka hara waka tun 95 mm. da suka yi premier inscription kinsu su ne suna da bai eh, suke da kaman sani sani bisa kaman importance kin bndr mm. da kuka zo wurin music urban king kaman su rapper su wa'anga yanzu ne sun fara abin nan so cikin aicekin bnda kenan ya kamata a yi aici kamar cira da zani kamar bnda ya yi kategori kategori duka kowa ya sanda da amfanin bnda amfanin bnda to ai yanzu nan mu birnin mai muke nan muna zance bayan da yakin akwai ta a cikin jihohi akwai ta a cikin jihohi don ka ko da yake ma yanzu bai ma kai wata guda ba da muka komo daga mission nan installation ya antan. Uh-huh. Yanda na faɗi nan a turanci don ka mun yi installe ko da yake ma na maraɗi dama akwai shi uh-huh. don functione ne don mu ƙara ƙarfafa mishi aikin shi mm. don ka muka installation shi don ka zandar mun yi installe difa mun yi installe uh-huh. kuma nan duk da muka tsaya dai mun samu mun yi daidai gwargwadon mu mun samu mun ga artist to su san da akwai ta ba su ba mu mm. aikin su ne muke mm-hmm, don mm-hmm. mun kwatanta musu mun yi sensibilizan su har yanzu ina ji a yanzu ma zancen da nake ana nan ga adhesion to la première des choses adhesion ne kuma yanda ya communication ina hu ana yin ta Tunda aka kirkiro bayan da da ya fi katarman kens ni dai yanda na gani wanda suka yi a rigaye ni dai dukka dai sun yi aiki na gani an mm. ba da formation a nasim inaji an yi ta formen ba artist ba kai har da masu aiki da agu duka su an yi formen men ba a gajiya multiplier mm. dai za a yi a ƙara yi dai to ai ta ci gaba yanzu jingarai uh, babakar jingarai kai uh, film kake ko to yaya ne kake jin kanka cikin wannan tsarin na biyan da yakin kasan eh, wannan tsarin mu dai matsalar da muke samu shine masalan communication inlet yanzu tun mm. da hadi da harika mm. yanzu kasan eh, akwai yanzu eh, nouvelle generation wanda suna yi film su in sun yi bayan da suna zama bayan da kamar dai na wasu waka kawai na eh na waka ne kadai ba mm. eh ka gane ko eh, yanzu bayan da yana communicate ya san da kowa ya san da akwai alhakin shi Il y a uh-huh. tellement de nouvelles générations qui, font des films, tu les vois, ils ne savent pas que le BND, ils peuvent bénéficier. Ah oui. le BNDA, c'est juste pour les artistes musiciens. Oh voilà. Donc moi, je pense que eh, le BNDA doit, beaucoup communiquer encore sur ça. Et s'il y a une autre voie de communication que le BNDA peut faire pour que les gens sachent tout cela, quoi. à travers des dépliants, des, émissions télévision, radio, tout ça. Sous vraiment, il y a soit qui de BNDA, soit de aikin da suna yi su ma kwa. Ok, kai kana jin daɗin ma'amala ko? Ni, ni ban ke ban ina jin daɗi. Mais, uh-huh. ka san eh, an ke Moi, j'ai une philosophie. J'ai fait un truc, je dois le protéger. On ne sait jamais. Ouais, ouais, Ce n'est pas pour se percevoir, moi. C'est pas ça mon idée, quoi, ni. Mais je dois le protéger pour que quelqu'un d'autre n'utilise pas à ah, ses Voilà quoi. Moi, c'était ça, mon idée quoi. Maintenant, je, euh, je sais que la répartition des droits d'auteur, tout ça, c'est pas grand chose par rapport à l'utilisation que je fais, euh, à la diffusion que j'ai euh, sur les télés, tout ça. Mm, mm. Donc, moi, l'essentiel pour moi, c'était de protéger d'abord mon œuvre. Maintenant, après ça, s'il y a d'autres avantages, je sais que bon, le BNDA est là, on, va se renseigner. Voilà, voilà. Voilà. Donc, on en sait un peu plus sur le BNDA. Là, on va aller faire un tour du côté de la rubrique euh, L'artiste s'exprime, ça c'est la spécialité de Mr. Dandy. Avec quel artiste il s'est exprimé Et on se retrouve juste après. La famille c'est nous et les belles histoires de Tchatcho. La famille c'est nous. grâce à vous on est partout. La famille c'est nous et les belles histoires de Tchatcho. La famille c'est nous, l'avenir est à nous. Hey. Nigérienne, Nigérien mes chers compatriotes, surtout Salafada, la famille nous s'exprime. Ils font la fierté de la comédie au Niger. Il fait, lui, la fierté du cinéma au Niger. Il n'est certainement plus à présenter. Mais aujourd'hui, sur l'émission Tous la Fada, les jeunes qui nous kiffent à travers le Niger doivent en savoir plus. Nous recevons pour ce numéro, mesdames et messieurs, un artiste nigérien, comédien, cinéaste, acteur culturel, PDG, entrepreneur. Eh, tchatcho ça vous dit certainement beaucoup de choses. L'artiste Chacho, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Merci, je vais bien. Tu peux la forme Ouais, ça va, Dieu merci. C'est une histoire de famille. Ouais, c'est une histoire de famille. Et la famille, c'est nous. C'est tout, c'est le C'est l'histoire de Tchatcho. ouais, c'est clair. Parlons de l'histoire de Tchatcho sur cette émission. Qui se cache derrière Tchatcho Alors, euh, le nom qui se cache derrière Tchatcho, c'est d'abord Anatovi Clément Serge, un jeune Nigérien né à Zender, euh, un 3 juin euh, dans des années 85. Alors voilà, j'ai commencé la famille, c'est nous ici, à Niamey, dans les années 2006-2007, suite à une rencontre avec la DG de la radio-télévision Ténéré que j'ai rencontré parce que je travaillais à l'aéroport. Et suite à euh, d'un de ses voyages, je lui ai facilité le vol et je lui ai dit bon voilà, à son retour, j'ai un projet pour toi. en quelle année c'était en 2007-2008. Donc ça fait pratiquement 13 ans, 13 ans que tu es dans la comédie ici au Niger. Alors on va parler de tes débuts. Ok, d'accord. On sait que vous êtes rencontré avec euh, la directrice générale, mais quand, euh, comment est-ce que vous avez euh, commencé la chose On parle de la production, n'est-ce pas La diffusion, c'est important qu'on mentionne tout cela sur cette émission. Voilà, quand je l'ai rencontrée, je lui ai parlé de mon projet. Mhm. La famille, c'est nous. Elle a trouvé ça très intéressant. Elle m'a dit, bon, passe au bureau. Mhm. Je suis passé avec tout mes tas de papyrus, les scénarios et tout ça. Elle a regardé, elle m'a dit super, c'est intéressant, mais moi je suis prêt à te produire et la télé est prête à te produire, mais pas à vous payer. On va produire et diffuser. Du coup, à ce temps, moi je dis, je suis partant. Parce, que tu je, veux une visibilité. Voilà, je voulais me faire un nom, je voulais montrer mon talent. De quoi tu es capable. Voilà, c'était ça l'initiative. Et c'est comme ça on a commencé. Et en peu de temps, parce que la télé vraiment avait assuré, on diffusait trois fois par jour, sept jours sur 7. Du coup, cette année-là, j'étais diffusé plus que le président de la République. <laughs> Vous voyez un peu ce que ça fait parce que l'artiste a la possibilité de s'exprimer. Il est extraordinaire. Hey, eh, Tchatcho nous a quand même émerveillé, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai suivi beaucoup Tchatcho et j'espère aussi que vous l'avez suivi à travers, bien évidemment, les sketchs de la famille sur nous. Mutation sur mutation. Vous étiez avec, euh, dans un premier temps, avec une équipe. Oui, mhm. euh, c'est toujours la même équipe sauf euh, deux ou trois têtes qui ont changé à ton On va revenir dans un deuxième angle sur ça. Maintenant, on va parler de Serge. Clément va parler de Tchatcho Soussou sur cette émission. Alors, Tchatcho, en dehors de la famille chez nous, tu peux déjà nous dire qu'est-ce que tu fais aussi hein, euh, euh, pour le rendement de la culture nigérienne Parallèlement, en fait, culturelle. Voilà, bien avant même la comédie, j'étais artiste rappeur. Oui, on allait évoquer ça était artiste. Je pensais que tu as oublié cette aspect. Non, pas du tout. Ça, c'est mes premiers pas. <laughs> Après ça, euh, j'avais fait la danse chorégraphique. J'étais avec les licences Après, on a fait les Full Furious et tout ça. C'était le mouvement de danse chorégraphique. On a fait le rap. Et là, j'ai continué mes études. J'ai fait la communication. J'ai fait le BTS d'État en communication, une licence en marketing et un master, un master 2 en communication publicitaire, en, communication politique. Et du coup, euh, c'était là m'a permis de d'élargir Aujourd'hui, euh, j'ai une entreprise euh, de communication. Je produis des jeunes euh, en termes de cinéma, en termes de, publicité. Je coach aussi et j'enseigne la communication dans 4 à 5 instituts de Niamey. Le jeune exemple, il est là, il est entrepreneur, mesdames et messieurs. Eh, ce qu'on va faire, j'ai envie de mettre l'accent sur ton début de la musique. C'était quoi déjà le nom de la formation Bloc d'acier. Bloc d'acier, mesdames et messieurs, une formation que j'ai beaucoup kiffé. On me pose carrément. Je veux qu'on arrête le beat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est important parce que l'instant est solennel. Tu te rappelles de votre premier single Ouais, Wondia Wondia. <laughs> Ah, on peut avoir Wondia sur cette émission Wondia Kagama Dono no kaite. Kagama Dono Ninkaigo binara. Wondia Wondia Kagama. Alors on va kiffer un tout petit peu Wondia sur cette émission et dans un instant on revient avec Mr. Chacho. On kiffe et tout de suite la suite. Bébé, j'ai passé ma vie à te chercher, vous êtes là, à mes côtés. Te chérir, te bercer, c'est mon seul désir. Et quand je pense à tout ça, ça me fait frémir. Alors, vous avez certainement kiffé, vous vous rappelez certainement de cette chanson. Pour ceux qui n'ont pas connu Chacho dans le chant et dans le rap, mais ben, il était aussi artiste, chanteur, rappeur. Alors, en dehors de Wondia, vous avez aussi quelque chose, je me rappelle très bien. On a fait, on a fait Don Don Don Don, au fond du ghetto. Ouais, Don Don Don Don, Don Don, au fond du ghetto. et tema, abokizo mirap, ne ghetto, eto mototo, toto, c'est mon Don Don Don Don, Don Don. Ça, c'est. quoi. Tu chantes, tu danses. En tout cas, président de Hada Hada et de Bouga Bouga, il faut que tu trouves le. <laughs> un vrai Hada Hadaïste et Bouga Bougaïste, mesdames et messieurs, c'est qu'il dit ces choses vraies. Il faut appeler les choses comme ça. Artiste, rappeur, chanteur, comédien. Eh, casquette et C'était le premier angle. Et dans un instant, la suite. C'était l'artiste exprime euh, de tous ala fada yau muna nan bendiya nan unguwar eh, kwara kano mu ce kusan agence nigelec nan ne inda mawaka da un film da masu rubutun littafafai suke zuwa suna kare aikinsu don kan wani ya dauka c'est ici également qu'ils perçoivent des redevances par rapport à l'utilisation qui a été faite de leur œuvre un peu partout. A tout Omar Salif, il est producteur mais aussi euh, président régional de l'ANASIM. Il représente les artistes sur cette fara. Nous sommes avec Madame Zarami Faji, elle est directrice générale du BNDA. Nous sommes avec Adam Batouré, directeur de la documentation et de la répartition des droits. Boubacar Gengarei, cinéaste et Monsieur Abbas Ibrahim, il s'occupe des sous ici au BNDA. <laughs> voilà, directeur. don a samu wa'annan kuɗaɗen da ake raba to muna jin kuɗi eh, mahi yawanci dai artist suna tsammanin kamar waƙoƙinsu kawai da ake sa ga radiyo ko tele ya isa a samu dura a'a ba ya isa lalle hanya ce ta farko wadda kowa ke samun dura duk wanda radio da tele ya sa in aka rubutu aka aiko muna sunan shi zai hituwa wannan hanya ce ta farko amma ba ita ba ce akwai hanyoyi da yawa da yawa hanya ta biyu ita ce wasar da artist gaishi da kanshi kana yin konser ya kamata kai da kalare bnda tun da kai artist in kana yin konser akwai promoter da ke tsara wannan wasannin naka wannan promoter kin shi zai biyan kuɗi da za a ajewa wannan naka ne su ne muke cima sense occasional wannan hanya ta biyu ce mafi yawanci artist da yawa ba su aiki da wannan hanya sai su dibin a ah, na je ka kashi kina shi ke na in ba ka aiki da sense occasional na uku akwai sense occasional ka yi kwantara ka yanzu da kungiyoyi waɗanga na telefoni mobil sun ɗauke ka ka ta kai musu wasanni waɗannan telefonikin suna rubuto sunanka bisa ga takarda da suka aiko muna wadda za ka samun kuɗi kenan kai artist kai ne ke zuwa kai aiki kai da kanka sun terrain mu in kai wannan aikin ka buɗe hanya wadda za mu zuwa mu tama amso maka kuɗi. ah kenan haka ne sai kai ke zuwa kai aiki ba mu bane wai ka je kai eh. kwance mu je mu amsu ma kuɗi a'a hanya ta gaba ita ce DRM in mutum ka hiddo album bai kamata a ce album kin ka hiddo shaka nan ka wada shi ba baka zo ka kare shi ba anan akwai tambari da za ka wa mu sa maka nan biyan dia to wannan tambarin da muke sa maka mm. shi kuma yana baka wasu durwa in lokaci akwai durwa da za a baka nan wannan validation da ka yi na album kin naka eh durwa na gaba shine na waƙoƙi ko film da ƙasashe duka na ƙasashen waje ke sawa. Dura na gaba shine na SASEM wannan babbar ƙungiya da duka ƙasashen Afirka muke cikinsu SASEM ita ce mai kula da duka haraka music da wani duka masu dai haraka ilimi ita kuma tana ture ita ko duka haraka kin ƙasashen waje duka mu wasannin da sun kai ƙasashen waje SASEM za ta tara waɗannan kuɗi ta aiko su a nan Nijar su samu dura ba wai kawai na hiddo ba maji bane dai ah, ba maji bane <laughs> ba maji bane aikin ka ne ke biyan ka ok Ba don na haido dan single guda ba sai in zo in yi kwanci in ci ai duka garajuyuka ni kadai ne ake sawa. Voilà, maintenant je crois que c'est encore plus clair. Yanzu in zo ga Rika Origigi ko wa'annan mutanen ne na gane aikin naku dai c'est vraiment étroitement ne kuke collaboration kin da su. Comment se passe cette collaboration? a votre niveau ku to yani... Euh, mu dai yanzu euh, anasim a nasim abinda muka sari shine muka ce muna recensement muna recensement parce que duka artiste. akwai kategori kategori akwai orchestre. akwai rapper akwai masu yeti yeta akwai masu turp kinnan kenan yanzu za mu yi da ya. mu gani ya ne mu ma muna kawo musu Mutanen mu ko ba haka ba parce que ta yi daɗi parce que mu a niger anasim shine association da yana ko ina ko inda babu soja akwai artist in ka tai ko babu inda ba kas inda babu soje dai akwai artist can yanzu dai za mu yi don za mu gani ya ne za mu yi collaboration da aka tara kowa da kowa eh na kyawu parce que ba taba yi shi ba kullum ana diba ne bayan da yana can artist ma suna can mm. ya kamata ne mu zo wurin da mu gaya musu masalolin artist su ma su gaya mun masalolin su kamsa mu gani ya ne ya kamata mu solution guda kowa yana cikin abin nan shi ganyen ganyen kwa eh. be voilà Euh, on peut dire que ça va aller. Donc, on va aller en musique parce que ça va aller sur la FADA, ça va aller avec la Nassim, ça va aller avec les artistes, ça va aller avec le BNDA. Proposez-moi un truc, qu'est-ce que je peux vous mettre pour vous faire plaisir Qu'est-ce que je vais mettre pour. Parce que là, là, vraiment, c'est. Par exemple, je voulais rendre hommage aux militaires. Ok. Ce sont les FDS. Hey. Uh-huh, uh-huh. eh. ben, pour rendre hommage aux FDS. Ben voilà, eh. big up aux. FDS et c'est depuis le BNDA avec euh, la FADA Euh, un joli hommage rendu par le groupe Soga. Retour à la FADA. Aujourd'hui, au bureau nigérien des droits d'auteur, on parle de leur mission, comment ils accompagnent les artistes et comment ils les protègent. Madame Zarami Faji, directrice générale du BNDA, Omar Salifou, producteur, mais aussi président régional de la Nassim. Nous sommes avec euh, Boubacar Gengarei, lui, il est cinéaste, Adamo Batouré, directeur de la documentation de la repartition des droits, Abbas Ibrahim, comptable au Bendéa. La dernière question de cette émission, wani irin matsaloli ne kuke fuskanta directrice cikin wannan aikin naku abinda da yake eh, rage muku karfin gwiwa duk cikin aiki dai ba a rasa matsaloli amma dan matsalolin dai matsaloli wajen recouvrement ne d'abord hmm. civilisateur lalle an ce communication men ba a abin ba a gajiya an tuka da cewa dai an yi communication ina ada kuma yin shi zami mm-hmm. amma utilizatar su san sani ke hakin aiki da hakin wani nauyi ne kuma mu duwa dotar ina yadda muke tambayan shi ba a kowane mutum ba muke tambaya duk wanda zai ɗauka hakkin wani ko aikin wani yayi aiki da shi cikin fannin neman kuɗi Mm-hmm. nan ne inda za a mm-hmm. gane mm-hmm. ba wani kamar a ce ku kin doka cikin ɗakin kina kallon tele ko kin sa wani music sai mu ce miki ke kin biya duwa <laughs> a'a in ma kiliyan ne ka ma daɗi kiliyan inka in ma wanda suke kama maka ne ka ma daɗi cikin neman kuɗinka don ka hudu hakin nan tunda mutumin nan kirkira nan dai ya sa kuɗi ya wahala ba a ma san hanyar da biyo ba sai da ya hudo muka gani Gama mm. yanzu abin da ya sama filin nan muke vraiment jin daɗin hirar nan don mu ƙara jawo hankali artist. Inda muke da difficulty da artist in suka yi preste avec les utilisateurs su da Allah su dinga zuwa su yi declare. Mm. Sai ki ba nu facilite eh, daidan su To kun ji dai abin da directrice ta ce yanzu origigi da kai zani karewa a wannan shirin ka in kiro Olivier. Quelles sont vos attentes? In kama kuna da recommandation na bnda matsala dai kudi ne harkan kudi ne yau kana gani wata rana artist ya zo ya karba kudin shi ya ce shi ya yi shekara bakwai shi ya yi shekara eh, ashirin me bai taba bai saba abin na eh, samu kudi da yawa ba kaman in bnda muna iya muyi kaman wata reunion da artist duka ifo ka mutane su gane in suna so su samu ko d miliyon ga eh, hanya da ya kamata su bi kun gane ko hakan ga za su ganewa me mutane suna ce kullum kamar bayan da ne zai ta iya karba kudi su suna abin nan ko ba su zo su yi declare in suna abin nan suna eh, kashe in sun samu kashe shikenan su ba su da abin nan mai in an zo wurin rabawa suna ga wa'ansu sun samu da yawa su sai su samu kudin taxi kuma wani matsala parce mun taba gani a bara akwai wasu artist da suna hita cikin region su zo daga tera par exemple na gani ya zo ya samu mil franco 2000 ne droit d'auteur kenan shi ya dauki ko mota ya zo ko ba haka ba ya zo bai samu ko kudin mota ba da zai koma cikin aspirikin shi kuma in ya zo a zai samu kudi fitatar a rabona da ya wuce ya samu sankantimil ko ya samu sassantimil yana ce a ko yanzu ma in ya zo to shi ya kamata kahin mutane su zo in ana iya a ciraye su parce yanzu telefon ya yi komi da komi a ciraye su a kom sms ne in bayan da yana yi haka kom ça ça va éviter des D'accord, merci bien, sauf si euh, tu as... Je vais, le même élan que Origigi, uh-huh. vraiment, c'est dit, c'est cette communication qui, qui, manque vraiment. Quoi. Les, les beaucoup ne viennent pas s'inscrire au Bendia parce qu'ils entendent ce que perçoivent euh, euh, les artistes chanteurs, disent que bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez Alors que c'est pas ça l'importance. Il y a, d'abord la la protection de, intellectuel qui est là, de l'œuvre intellectuelle qui est là. Et puis, bon, s'il y a quelque chose, ah, après, il faut prendre, quoi. Mais moi, je pense que le plus important, c'est surtout la communication. C'est important quand même. Voilà. Sur ces notes hyper positives, Olivier Ouais. On va attaquer. Euh, je sais très bien que j'aime la positivité. <laughs> tu vois, non Ça va aller, ça va aller. Tranquille. <laughs> ok. On t'écoute. Allez, bonsoir à tous, amis de l'émission Tous à la Fada. Dans la chronique de ce soir, j'ai prévu vous parler des femmes sélectionnées pour arbitrer les prochains matchs de championnat d'Afrique des Nations et aussi l'avancée dans le monde du foot féminin. C'est super ça. Tranquille, ravi. Eh bien, la Confédération africaine de foot a décidé de faire appel pour la première fois de l'histoire du CHAN, le championnat africain des nations, au service d'un quator arbitral féminin qui sera amené par Lilia Tafesei Abeb de l'Éthiopie, ainsi que les arbitres assistantes Bernadette Kiwimbira de la Malawi, Mimi Lior du Nigeria et Karine Atezambong Fomo du Cameroun. Si elles ont des noms compliqués, on est fiers parce que c'est des femmes. Oh, on est hyper fiers d'elles-mêmes. <laughs> J'ai hâte déjà. <laughs> Pendant que le foot masculin est au sommet sur le continent, les dames sont encore loin du podium. Manque de soutien financier, préjugés sexistes, nombreux sont les obstacles auxquels le le foot féminin fait face sur le continent. Mais pour cette année 2020, beaucoup de bonnes nouvelles pour les dames passionnées et engagées dans le foot. D'abord, au niveau de la FIFA, en effet, l'instance dirigeante du foot mondial a augmenté le nombre de places pour les équipes africaines participant à la Coupe du monde féminin. Elles passeront désormais de 3 à 4 avec une chance d'avoir 2 de plus via un tournoi éliminatoire commençant avec l'édition 2023 qui se tiendra en Australie, en Nouvelle-Zélande. Concrètement, les équipes participantes sont passées de 23, de 24 plutôt à 32. Eh bien, sur le continent, la CAF a procédé au lancement de la Ligue des champions féminines. Eh bien, après des années de lobbying, la CAF a finalement décidé de suivre les conseils des passionnés de foot féminin et a lancé une compétition pionnière à l'intention des clubs féminins du continent. La nouvelle a été reçue avec joie car cela rassemblera les champions de la Ligue des différentes nations et augmentera encore une fois le niveau des compétitions pour les filles et femmes en Afrique. Et eh bien, direction Afrique de l'Est, c'est une consécration pour l'Éthiopienne Lydia Tafesei Abeb. Elle deviendra la toute première femme rabbi à être habit central dans une compétition masculine de la CAF. On va la voir aux manettes au Cameroun après deux Coupes du Monde et une canne féminine. C'est très compliqué de faire une chronique femme féminine sur le foot, tellement c'est rare, mais enfin, c'est la fin de cette chronique. <laughs> T'as même du mal avec les termes. En ah fait. ah ouais, ouais, tu vois, c'est rare de le dire en fait. Bonne chance à toutes, bonne chance à toutes ces femmes. et ça nous donne hein, une raison de regarder le foot, même si on n'aime pas trop. Ben oh, là, on va regarder, c'est nos sœurs qui jouent. C'est la fin de tout ça, la fada français Aoussa. On était au BNDA avec l'administration, le représentant des artistes de la Nassim, le cinéaste Djengaray. Et euh, ce qu'on a retenu de cet échange avec vous, c'est que, au fait, on est disposé à avancer ensemble. Amis artistes, BNDA, pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc là, il ressort que la collaboration doit continuer. Les artistes demandent plus de communication sur les services, tout ce que vous avez à leur offrir. Donc on va dire que tout est bien, qui finit bien sur la FADA. On va se dire au revoir sur la FADA. namu 80 06 88 54 tamanin sifiri shida takwas hamsin da hudu a huta lahiya.